le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 38 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème Ramadan 2019 quelle alternative face à la flambée des prix des produits au Niger Le mois béni de Ramadan est un mois pendant lequel la consommation alimentaire est élevée. Les commerçants, grossistes et détaillants, chacun en ce qui le concerne, fait de son mieux pour répondre aux besoins des jeûneurs. Les produits de première nécessité, mille, sorgho, maïs, niébé, farine de blé, farine de manioc, etc., sont les plus recherchés pour le bien besoins alimentaires. En six mois de jeûne, le constat dans les différents marchés de Niamey fait ressortir une abondance et une augmentation des prix des produits sur les différents marchés. Avec euh, nos invités, nous allons chercher à comprendre les causes de l'augmentation sur les prix des produits, le rôle de l'État, des associations de consommateurs et ce que dit l'islam. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir Abar chef euh, division contrôle et contentieux au ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé. Abarchi Soumana, bonsoir. Bonsoir. Au téléphone, nous avons Elhaj Damradi Yakouba, secrétaire général du syndicat des importateurs et exportateurs du Niger. Elhaj Damradi Yakouba, bonsoir. Oui, bonsoir. Oustaz Abdel Fattah Mahmoudou, prédicateur en islam. Oustaz Abdel Fattah Mahmoudou, bonsoir. Bonsoir. Au téléphone également, nous avons Maman Nouri, président de l'Association pour la défense des droits des consommateurs ADDC Wadata. Maman Nouri, eh, bonsoir. Bonsoir. Au microphone, Mokhtar Hamadou. l'âge demoradi Yakuba, quelles sont les causes de la flambée des prix des produits au Niger, surtout pendant le mois du Ramadan Je vous remercie euh, pour nous avoir invités quand même à ce forum, qui euh, est un forum quand même euh, qui intéresse tout le monde. Donc, en réalité, les causes sont multiples. Hein. Les causes, d'abord la demande. Vous savez, le marché, il a une loi donc ce loi de l'offre et de la demande sur le monde entier, j'allais dire. Euh, cette loi-là, elle règne. Euh, aujourd'hui même en Arabie Saoudite, quand vous allez, le lieu saint, donc au moment du Hajj, donc euh, tout le monde constate quand même, compte tenu de l'influence des gens, donc de la demande, l'offre quand même un peu élevée. je vais dire les prix sont un peu élevés. Ça, ce n'est qu'un élément. Donc, euh, il y a d'autres éléments en fait, qui rentrent en compte. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que l'opérateur économique, en réalité, doit jouer, il ne doit jouer que sur sa marge bénéficiaire. Euh, et vous savez, aujourd'hui, euh, nous sommes dans un cadre démocratique, même au niveau syndical. Vous voyez Donc, nous sommes à plusieurs paliers. Nous, nous, sommes, nous représentons les importateurs et exportateurs du Niger. Donc, nous représentons les exportateurs. Il y a un autre syndicat qui représente les grossistes il y a un autre syndicat qui représente les détaillants. Donc chacun a sa part de responsabilité, vraiment de mon point de vue, dans cette affaire-là. Et chacun a ses réalités, chacun vit ses réalités. Voyez demande Damaradi que fait votre syndicat face à l'envolée des prix des produits Notre syndicat, son principal rôle, c'est d'approvisionner le marché. C'est que nous faisons en sorte que les opérateurs économiques qui sont avec nous ou c'est avec qui on se réunit dans tous les cas, on les représente d'une manière générale, l'ensemble des, opérateurs économiques, importateurs, exportateurs. Donc, nous faisons tout pour ne pas qu'il y ait de rupture pendant cette période. Voyez-vous Donc, euh, certains produits nous viennent de très loin. Donc, nous nous organisons à chaque fois, même à l'approche de, ce grand événement que le ramadan, qu'il n'y ait pas de rupture par rapport à ce produit tellement demandé dans notre, au niveau de notre pays. Et au niveau de nos, euh, de, nos structures, nous faisons en sorte de ne pas monter le prix, de ne pas faire remonter le prix. Mais comme je vous dis que c'est une affaire qui concerne euh, plusieurs paliers, donc euh, nous ne pouvons parler, assurer que sur le palier que nous contrôlons. Alaj Damrad Yakuba, est-ce que vous êtes préoccupé par la qualité des produits qui rentrent aussi au Niger Vous savez, en fait, le commerçant, lui, il répond à des, à des demandes, à des besoins. Donc, euh, nous répondons aux besoins de la population. La population qui exige la qualité, donc nous lui fournissons la qualité. La population qui est la moins démunie, malheureusement, qui demande la quantité, nous lui fournissons aussi cette quantité. Donc, euh, nous sommes obligés de répondre donc, aux besoins, à vos besoins, aux besoins de la population. Donc, euh, parmi nous, il y en a qui, effectivement, importent les, produits de très bonne qualité, mais malheureusement, il y en a parmi nous aussi donc, qui importent vraiment pour la, la moyenne classe et la basse classe. Et c'est ainsi que va le marché. Allah Maradi Yakuba, qu'en est-il de la disponibilité des produits sur euh, les marchés Non, ça vous pouvez vérifier. Tous les produits qui sont de grande consommation pendant cette période sont disponibles. Et ils sont disponibles à des prix abordables. Ça, vous pouvez le vérifier. Vous avez vos caméras, vous avez vos micros, remenez les vous allez voir. Maman Nouri, à l'occasion de presque chaque ramadan, les consommateurs nigériens constatent une augmentation des prix de certains produits. Comment expliquer ce état de fait c'est une remarque très pertinente. Il y a une hausse des prix des produits de consommation sur les marchés. Malheureusement, cette hausse, n'a pas, en tout cas, respecté les engagements de certains commerçants, même si par ailleurs, c'est des syndicats sectoriels, des représentants des syndicats sectoriels qui ont pris l'engagement, soit de la stabilisation du prix, soit de l'augmentation, plutôt de la diminution du prix. Ce qu'on peut dire, certains produits ont connu une flambée. Je suis d'accord avec que qui a dit euh, c'est un moment de grande consommation et donc euh, euh, l'équilibre entre l'offre et la demande souvent s'aménise. Et du fait de cet aménagement-là, il y a un peu de diminution de stock et donc quelque part souvent de la spéculation. Ce que nous pouvons dire aussi, c'est que quelquefois, il y a certains commerçants qui font de la rétention de stock pour faire en sorte que, en tout cas, la disponibilité s'améliore. Alors là, l'objectif visé à, travers la, rétention du stock, c'est surtout la spéculation. La spéculation en termes de prix, bien entendu. Alors là, les gens profitent de cette occasion pour augmenter le prix. Et là, c'est malheureux. Étant entendu que c'est un engagement, euh, en tout cas, non seulement vis-à-vis des autorités, vis-à-vis des, consommateurs, mais aussi c'est un engagement vis à -vis des dieux. Donc euh, là, nous constatons que vraiment, il y a certains qui n'ont pas honoré leur engagement. Parce que la deuxième chose. Ce qu'il faut constater, certains produits ne sont pas pratiquement produits chez nous. Je prends la banane, je prends une bonne partie de la pomme de terre, je prends l'ananas. Là, c'est compréhensible. Quand souvent, en tout cas sur euh, le marché, on, augmente, euh, on constate une augmentation du prix, c'est un peu compréhensible. Mais là aussi, il y a quelques contingents et eh, les quelques contingences ont été évoquées lors de la réunion avec le ministre du Commerce et le président de la Chambre du Commerce. Donc, entre autres questions qui a été soulevées, c'est surtout, en tout cas, la rétention des camions au niveau des douanes, des postes de douanes. Or, comme c'est des fruits, des, fruits, en tout cas, crus, donc, euh, c'est facilement périssable. Donc, quelqu'un qui amène, par exemple, 10 tonnes d'ananas, si son stock est retenu à la douane pour quelque raison que ce soit, certainement il va perdre une certaine quantité. Et lui, le commerçant, c'est qu'il ne va pas perdre. Il va répercuter cette prix, en tout cas du restant du stock. Et donc, cette répercussion va augmenter certainement une augmentation du prix par rapport à l'habitude qu'on a constatée. Alors, tous ces paramètres réunis souvent, c'est ça qui entraîne la hausse des prix des, produits de consommation. Mais un autre comportement aussi qui vient de nous consommateurs, c'est souvent on n'a pas, en tout cas, cette capacité souvent de négocier. Et c'est des chaleurs peut-être, c'est des carême peut-être, et tout le monde est stressé. Mais ce que la tradition ici, ici chez nous, les prix ne sont pas donc sont négociables. Donc, il souvent, le comportement des certains consommateurs c'est que, dès qu'on vous dit 1000 francs le kilo de la banane, ils donnent et sans se rendre compte à l'évidence que ce comportement fait en sorte que les prix augmentent sur le marché. Et c'est malheureux si ça vient des consommateurs. Donc là, il nous profitons de l'occasion pour lancer un appel aux consommateurs, d'être très prudent dans les achats. En tout cas, pour nous consommateurs, ce que nous recommandons en tout cas aux consommateurs de façon générale, c'est surtout de négocier le prix et surtout de faire en sorte que qu'on ne soit pas responsable d'une augmentation de prix, tout le même. Donc voilà ce que je peux dire par rapport, à ce thème très important, à un moment très, important, de, bien entendu, le carême de mois de Ramadan. Maman Nouri, quelle attitude face à la récurrente flambée des prix à chaque Ramadan au Niger Alors, je prends quelques exemples de, produits. Et chaque année, on le redit. Par exemple, la tomate fraîche, par exemple, la salade, par exemple, le chou et bien d'autres produits du fruit. La plupart, heureusement que cette année, on est presque en fin de période de contre-saison, presque en fin. Mais dans les années passées, vous allez constater on voit les, les qui se sont passés au mois de juin, parfois même au mois de juillet, les produits du fruit coûtent extrêmement cher, particulièrement la tomate fraîche. C'est le moment où le Nigeria ne produit pas. On n'importe du Bénin, on n'importe du Burkina Faso. Or, quand vous regardez, on a presque la même saison, la même saison plusieurs au Burkina Faso, la même saison pluvieuse au Bénin. Mais on ne peut pas comprendre pourquoi on n'innove pas. Pourquoi les producteurs ne produisent pas pendant la saison pluvieuse. Alors, et là, je crois qu'il y a quelque part des responsabilités partagées. Partagées entre l'État, qui n'incite pas ou qui ne montre pas la route, de chemin pour produire, et mais aussi les producteurs qui ne veulent pas innover, qui ne veulent pas aller, en tout cas, vers la production de cultures euh, des produits maraîchers, particulièrement en période de grande consommation. C'est pourtant le carême qui est une occasion très importante parce que la demande est très forte. Quelle que soit l'occasion du produit, si c'est des produits alimentaires, la demande est forte et forte. Donc, ça veut dire que le prix est relativement, en tout cas, rémunérateur par rapport à la période de grande production. Donc, vraiment, c'est les leçons qu'on peut tirer. Et c'est aussi une alerte, par exemple, du RECA, euh, le réseau des chambres d'agriculture. Je crois que c'est leur rôle leur rôle d'inciter le producteur à produire au moment de la demande. Faire en sorte que l'importation soit diminuée par une production nationale. Sinon, toujours on va souffrir pendant le mois de Ramadan. Toujours on va souffrir et c'est le commerçant qui va aller chercher, et qui vont fixer leur prix. Par contre, le producteur ne bénéficie pas pratiquement en tout cas de la main, que soit prix, parce que la demande est forte, le consommateur là est prêt à payer. Abarchi Soumana, quelle est la situation actuelle des prix des produits sur les marchés D'abord, je vais commencer par euh, saluer le studio quand même pour avoir initié une telle euh, rencontre donc de, sensibilisation, de formation et d'éducation même donc euh, des citoyens puisqu'il faut que les citoyens soient informés de quoi il s'agit concrètement, d'accord Quel est le rôle des autorités Vous avez particulièrement parlé du ministère du Commerce, parce que tout ce qui est sur le commerce, on voit automatiquement le commerce, c'est tout à fait normal. Je pense qu'il est important de rappeler, surtout à vos auditeurs, que le domaine du commerce libéralisé hein, à partir de 92 euh, à travers l'ordonnance 92-025 de 7 juillet 1992 portant réglementation des prix et de la concurrence. Qu'est-ce qu'on peut euh, entendre par libéraliser Voilà, par libéraliser le commerce, effectivement, c'est-à-dire que les prix de vente des marchandises et des produits, qu'ils soient d'importation ou de la fabrication locale, ainsi que ceux des services, demeurent libres en République du Niger. D'accord Cela veut dire que les commerçants ce n'est plus dans l'ancien temps où, les prix étaient fixés par l'État. Aujourd'hui, en toute responsabilité, l'État du Niger a libéralisé à partir de 92 les prix. Donc c'est aux commerçants, euh, qu'ils qui, soient euh, ceux qui produisent à l'intérieur du pays ou bien ceux qui importent, de fixer, le prix. Donc à travers, le libre, euh, à travers la, la libre concurrence. D'accord, c'est ça qui la, le jeu de la libre concurrence qui détermine le prix. Donc, cependant, il faut quand même noter que, quel que soit le domaine, un excès de liberté, souvent on a tendance à des habits. Et pour limiter cela, on a quand même des exceptions d'accord, dans des situations ou des situations exceptionnelles ou, euh, des, produits qui sont dits stratégiques. D'accord, là, l'État fixe, je veux parler juste pour des passages, le, pétrole, par exemple, n'est pas fixé par les commerçants, donc c'est l'État qui prend euh, un acte administratif pour le fixer, entre autres. Hein. Donc c'est juste, il faut que les, auteurs auditeurs sachent que on a créé des conditions. D'abord, l'État a créé à travers cette libéralisation de mettre en compétition les commerçants d'accord en, libéralisant. Donc on permet à tout le monde d'aller amener ou de produire sur place et de mettre à la disposition de la population. L'avantage qu'a cela, c'est quoi C'est que vous offrez pratiquement les mêmes produits dans les mêmes conditions, peut-être, ou bien d'autres, euh, euh, euh, d'accord. Et alors là, on va permettre au consommateur d'opérer son choix. Il a libre le choix d'acheter, par exemple, un tel, un, tel produit, donc, d'accord, à tel franc, ou bien si l'autre offre moins, moins, que ça. Donc voilà, ça, c'est ce qui est très important. Donc il faut, il faut que les gens sachent que les prix sont libres en République du Niger. Maintenant, pour revenir à votre question, que fait l'État Vous dites La situation des prix. La situation, maintenant, sur le, terrain, euh, il faut rappeler que euh, depuis 2017, hein, l'actuel ministre a initié un plaidoyer euh, auprès des opérateurs économiques, à travers notamment la Chambre de commerce et d'industrie du Niger, pour plaider la cause, malgré tout ce qu'il y a d'accord de prédit la cause des consommateurs nigériens. Et heureusement que j'ai suivi euh, Mamanouri euh, et Damaradi, d'accord, qui sont des acteurs quand même, des, font partie prenante de cette, euh, de cette négociation. Plaider la cause, d'accord, par le ministre, plaider la cause des consommateurs auprès des importateurs. L'élément le plus important, c'est d'assurer l'approvisionnement, la disponibilité sur le marché et l'autre côté, les engagements des importateurs jusqu'aux petits revendeurs ont pris devant le, monsieur le ministre, d'accord, au courant de ce mois pour ne pas faire monter les, prix. Aujourd'hui, en tout cas à cette date, normalement, les nourris doivent être sur les terrains pour s'inquiéter véritablement, puisque nous avons effectivement constaté, c'était par exemple, on prend la pomme de terre qui était à 300 jusqu'à 500 par endroit, jusqu'à 600. Donc, vraiment, toutes ces structures-là ont pris un engagement devant le ministre que nous vont maintenir le prix, donc, pour sorte que ça soit accessible à la population. Puisque le souci, quand même, c'est un mois béni. Nous sommes euh, majoritairement musulmans. Il faut penser quand même à, son prochain. D'accord, voilà un peu l'esprit dans lequel. Bon, on a, on a pris des engagements. Maintenant, euh, les équipes sont présentement en place pour suivre, pour savoir qu'est-ce qui en est, on est en train de suivre. S'il y a d'autres contingences qui sont greffées, nous le saurons. Mais c'est que sûr, les engagements sont pris et qu'ils ne vont, vont pas faire monter les prix. Mais malheureusement, on constate que jusqu'à 700 francs, la, par exemple, le, kilo de la pomme de terre. les gens, on va attendre quand même le retour de ces missions pour en savoir. Puisqu'il y a leurs représentants, même les, vendeurs, les petits détaillants, les détaillants à travers, nous allons, puisque aujourd'hui, normalement, ils sont sur le terrain pour aller vers toutes euh, ces structures-là, pour toutes ces personnes, voir qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi, si les engagements ne sont pas respectés, qu'est-ce qui, n'a pas fonctionné quelque part. À partir Soumana, quelles sont les dispositions prises euh, cette année pour que les produits soient accessibles aux populations Il faut noter, entre autres euh, dispositions, qu'à travers le ministère du Commerce, pendant le mois de Ramadan, chaque année, c'est des des tonnes de sucre, par exemple le sucre qui est un produit de grande consommation au Niger, et sont placés au niveau des différentes communes du pays pour atténuer, puisque là, c'est vendu à 1 kg près, D'accord Vous partez pour votre besoin jusqu'à 350, vous avez votre kilo de sucre. Et je crois que ça, là, c'est une action très importante qui est en train de faire l'État d'accord à l'endroit. Est-ce une vente à prix modéré Oui, c'est une vente à prix modéré. C'est vraiment une vente à prix modéré, d'accord, qui est très importante, d'accord, euh, pour, pour, les populations. Ça stabilise, en réalité, ça permet de stabiliser le prix du sucre sur. Autre chose, comme je l'évoquais tantôt, c'était le plaidoyer. Donc, demander aux commerçants, d'accord, pour qu'ils ne fassent pas de la surenchère à l'occasion de ce mois béni. Donc, le ministre a plaidé la cause des, consommateurs au Niger pour qu'il ait suffisamment de disponibilité, d'accord, de produits de grande consommation. Et là, jusqu'à

Vraiment, à la dernière rencontre, tout est là. Damaradi l'a confirmé tout à l'heure. Les produits sont en quantité suffisante disponibles. Donc, pour cela, vraiment, il n'y a pas de problème. Le reste, c'est le jeu, de le respect des engagements pris par les uns et les autres. À Soumana, à l'occasion de presque chaque ramadan, le gouvernement et ses partenaires organisent euh, une foire, un marché euh, spécial ramadan. Est-ce que cette année, euh, ce marché-là a été organisé Cette année, la foire n'a pas été organisée. organisée. Oui, pour des raisons techniques. D'accord Mais tout de même, le plus important, ce qu'il faut comprendre, c'est que eh, les actions sont faites par l'État pour que les jeunes soient mis dans des conditions d'accord euh, le Ramadan. Oussad Abdel Fattah Mahmoudou, que dit l'islam au sujet eh, du comportement de certains commerçants qui profitent du Ramadan pour faire grimper les prix des produits Alhamdulillah Rabbil Alamin, summa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin Muhammadun alamul huda wa manar al-yaqin. D'abord, il faut comprendre que de nature, l'homme est accro à l'argent. Et Dieu a dit dans le Coran, L'homme est très attaché au bien, très attaché au matériel. Ensuite, le messager sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé, il prêchait le peuple de Quraysh. Le peuple de Quraysh dit que nous, pour qu'on te croie, hein, que tu es, eh, messager de Dieu, il faut que le moins Safa, que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de nous transformer ça en or. Et le messager a dit, alayhi il va s'adresser à Dieu. Il implore Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala lui envoie l'ange Gabriel. Il dit que bon voilà, ton Seigneur te salue. Mais il te donne deux choix. Premièrement, je peux transformer Safa en or. Mais si après ça, quand quelqu'un va me croire, je vais le châtier un châtiment que personne n'a connu dans ce monde. Le second choix, je vais leur ouvrir la porte du repentir et de la miséricorde. Maintenant, toi, messager alayhi wa sallam, entre ces deux choix-là, choisis un. Le messager a dit que je choisis donc la porte du repentir et de miséricorde. Si nous agissons tel que nous sommes en train d'agir aujourd'hui, d'abord c'est une tradition de l'homme. Secondo, il y a l'ignorance. Le moi là, le messager alayhi wa sallam nous l'a défini, dire que la première des quatre est miséricorde. Il faut donc profiter. La deuxième décade, c'est le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième décade, on affranchit les gens du feu de l'enfer. Et c'est l'unique occasion dans l'année. Allah subhanahu wa ta'ala fait la promotion donc des bonnes œuvres. Travailler peu pour gagner beaucoup. Mais malheureusement, on fait le contraire de ce qu'on nous demande. Et l'attitude du croyant en tous les temps, et particulièrement durant le mois de Ramadan là, consiste à respecter ce que le messager nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que le musulman est le frère du musulman. D'abord, il ne le trompe pas, il ne le ment pas, il ne l'abandonne pas. Et il dit, tout ce qui est en la personne du musulman est sacré. Sa dignité, son honneur, sa fortune et son sang. D'abord, l'esprit de ces hadiths-là n'est pas respecté. Et encore, dans ce mois-là, qu'on essaie de ne pas respecter pour profiter donc du pardon de Dieu. Qu'est-ce qui est dû à cet état de fait Est-ce que c'est la communication qui, qui ne passe pas Pour certains, ils ignorent. Pour d'autres, c'est la passion. C'est l'argent ou rien. Puisque aujourd'hui, l'argent est devenu un maître que les gens adorent. Les gens sont prêts à tout. Alors que le messager nous a dit encore, alayhi wa sallam, quiconque auquel on confie une tâche, qu'il le fasse avec perfection. Le seul fait de faire votre travail honnêtement et à cause de Dieu peut vous entraîner au paradis. Ce n'est pas seulement la prière, le jeûne ou le hajj qui nous amène au paradis. Le seul fait de faire ton travail correctement, Allah peut ouvrir la porte du paradis. Si ce n'est pas par ignorance, pourquoi tu viens tromper les gens euh, au, niveau de ton travail et tu vas à la mosquée pour prier donc, de ce fait, on devient un homme à double visage. À la mosquée, on, est musulman, ou en dehors, maintenant, on devient, on devient un, diable. Vous voyez Et maintenant, dans Surat Nour, Allah nous invite encore en disant que quiconque obéit à Dieu, obéit à son messager, se rappelle de son passé, tous les mauvais actes posés dans le passé, il se rappelle encore de son futur, il craint Dieu dans son futur, Dieu dit que ceux-là sont ceux qui ont récolté le succès. C'est eux qui, vont être admis au paradis et bénéficier de tous les délices du paradis. Que nous trompions les gens, que nous trichions, on ne peut gagner que ce qu'Allah nous a destiné. Ni la force, ni l'intelligence, ni la supercherie de l'homme ne peut lui donner que ce que Allah a voulu qu'il gagne. En allant tromper les gens, ce que Dieu t'a destiné dans le licite, tu le prends dans l'illicite. C'est ça l'enjeu. Donc Allah nous a dit de travailler, mais chercher son argent d'une façon licite. Puisque quelqu'un qui mange de l'illicite, sa prière n'est pas acceptée, son jeûne n'est pas accepté, tout ce qu'il aura fait de surrogatoire, tout est zéro. Il est à l'image de quelqu'un qui veut laver ses habits. Mais il lave ça avec de l'urine. Même s'il met de l'homo et autres, ça, c'est toujours sale. sale. Tout est bon, voilà. Voilà le problème que nous sommes en train de vivre. Oustaz Abdel Fattah Mahmoudou, euh, face à de tels comportements, mm. qu'est-ce qui est recommandé par en, islam Il faut toujours retourner à Dieu. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit face à ça là, que chacun se rappelle du jour où il va retourner vers son Seigneur. Le jour où chacun va mériter les récompenses de ses œuvres. Chacun de nous sommes sûrs que nous allons mourir. Et Allah subhanahu wa ta'ala va tenir les comptabilités de nos œuvres. Et qui veut échouer ce jour-là Personne. Et personne ne sera lésé dans ce qu'il aura fait. Vous faites du bien, le bien que vous avez fait est là. On ne diminue pas vous faites du mal, on ne vous augmente pas sur le mal. Et, regardez comment est-ce que l'homme quitte ce bas monde. Monsieur Mokhtar, comment est-ce que l'homme quitte ce bas monde Ça fait pitié. Avec euh, un linceul d'à peu près 5 mètres. Ça fait pitié. Le mètre peut-être ne dépasse pas 500 francs, ça fait 2500. Quelques gouttes de parfum. Un fagot de bois qui ne dépasse pas peut-être 2000 francs au cimetière le, parfum, à peine, c'est 1000 francs. Celui qui aura peut-être encore gagné un plus, peut-être il y a un écoulement au niveau du nez ou de l'anus. On imbibe du coton, on lui met dans le nez et dans l'anus. Et puis c'est fini. Son compte est bon. Maintenant, il va aller rencontrer ce qu'il a. Qu'on soit riche ou pauvre. Qu'on soit riche ou pauvre. Et maintenant, il va aller maintenant répondre de ses actes devant Allah subhanahu tu as triché dans ton commerce, tu as triché dans ton travail, dans ta profession, tout ça là, le résultat est encore là-bas. l'âge Dambradi Diakouba, comment faire pour que les prix des produits soient stables et accessibles aux Nigériens Je pense qu'au lieu de parler d'alternatives, comme le disait euh, le, directeur, donc il parle de comité. Les comités là que nous formons, ce sont des comités ad hoc. Ce sont des comités qui sont formés à l'occasion de Ramadan. Une fois le Ramadan, euh, le premier jour après le mois de Ramadan, on oublie. Alors que moi, je pense qu'il faut créer vraiment euh, des comités permanents de réflexion, un cadre permanent de réflexion qui va regrouper tout le monde. Vous-même, les journalistes, vous devrez être euh, impliqués. Vous voyez et nous, les syndicalistes, on doit être impliqués. Les opérateurs économiques fonctionnels doivent être impliqués. Vous voyez, même euh, certains cadres, euh, je vais dire, certaines imminences, donc nos, certains universitaires doivent participer vraiment pour trouver la voie de sortie à cette, de cette situation-là. Vous voyez, nous sommes dans un format où, bon, nous faisons toujours la même chose, nous reprenons toujours la même chose, nous constatons toujours la même chose, on ne tire jamais de conclusion, on ne réfléchit jamais pour, pour parer vraiment pour voir l'année prochaine, par exemple, comment il faut faire pour ne pas retomber dans cette situation. Ou alors, dans combien de temps on peut sortir de cette situation. Vous voyez, Nouri a dit quelque chose qui est très important. Nouri a dit que eh, nous sommes presque importateurs à 100%. Et il a raison. Et même les produits pour lesquels nous ne sommes pas importateurs, par exemple la tomate. Moi, j'ai cultivé la tomate, mais est-ce que vous savez que la tomate a séché il n'y a pas un mois Ça a séché, séché. voyez, très forte chaleur là a commencé, mais toutes les tomates ont séché. Donc obligatoirement, il faut aller chercher cette, euh, tomate-là à l'extérieur. Moi, je pense que vraiment, il faut créer un cadre formel. Il faut que l'État même accepte vraiment de mettre euh, du sien en mettant de l'argent, en créant le cadre, en mettant les gens nécessaires qui peuvent faire fonctionner ce cadre-là, qui peuvent réfléchir et qui peuvent apporter des solutions, vraiment euh, des solutions pérennes donc, à cette situation-là. Sinon, si c'est à travers le comité ad hoc, le comité ad hoc, euh, on a vu sa limite on a vu la limite du, comité ad hoc. je demande Yakuba, euh, quels sont vos conseils ou recommandations pour euh, le contrôle et une meilleure stabilité des prix des produits au Niger Donc, vous savez, en fait, pour qu'un produit soit moins cher, terre à terre, il faut qu'il soit produit en abondance ou il faut qu'il soit importé en abondance. Donc, quel est le choix que le Niger fait est-ce qu'on va importer en abondance ou bien est-ce qu'on va produire en, abondance Donc il faudrait qu'on réfléchisse pour, aller dans un sens. Voyez si on doit produire en, abondance, quelles sont les conditions que nous allons remplir pour pouvoir atteindre cette production-là Il faut impliquer les producteurs eux-mêmes. Donc j'ai dit qu'il faudrait un cadre. Si ce n'est pas à travers vraiment un cadre de réflexion terrain, on ne peut pas nous en sortir. On va toujours faire du kame on va toujours réunir des gens un embelli à la télé, et puis après on oublie. Et on attend la semaine, l'année prochaine pour recommencer. Ça, je vous le dis à travers ce que j'ai suivi, je suivi et ce que j'ai suivi, donc euh, à travers euh, cette façon de faire là. Moi, je pense qu'il faut vraiment mieux responsabiliser les gens, à travers vraiment des trucs plus terrains. Voyez Il faut qu'on fasse un choix. Un choix s'impose. Est-ce qu'on doit produire, est-ce qu'on doit importer Si on doit produire, quelle quantité il faut produire euh, si on doit importer, quelle quantité il faut importer à quel moment Et maintenant, il y a un, tout un instrument à suivre. Donc, c'est ce que j'ai à dire par rapport à votre question. Alaj Damaradi Yakuba, est-ce que l'initiative 3N, l'INRAN et euh, les autres agronomes euh, peuvent faire quelque chose dans ce sens Vous savez, je suis désolé, l'initiative 3N, elle a montré ses limites elle a montré ses limites. Quel que soit le montant qu'on alloue, si on alloue 100 milliards à l'initiative 3 et qu'on veut couvrir l'ensemble du territoire nigérien à travers l'initiative, ça ne peut pas aller. Moi, j'ai dit une fois, à travers une, euh, un débat télévisé j'ai dit qu'il faut revoir la formule. Tu vois Donc, revoir la formule, ça veut dire quoi Prendre le montant alloué à l'initiative, par exemple, pour cette année, et mettre deux, euh, deux régions en compétition, la région de Bimpaoula et la région de Tilaberi. Voir dans quel cadre on va, on va investir comment il faut stimuler donc la production, parce qu'on sait qu'à Tilaberi, à Bifa par exemple, ils produisent euh, le poivron, ils produisent euh, le blé, ils produisent euh, le maïs, ils produisent à travers le lac, ils produisent l'oignon. Et maintenant, on prend une autre région, on les met en compétition. Là, on met assez de moyens, voyez et après, on évalue. À ce moment-là, ça peut, on peut voir l'impact. Mais si vous prenez 100 milliards, vous le distribuez au niveau de tous les villages du Niger, mais il y a certains villages qui vont avoir 5 000 francs ou 10 000 francs en quoi cela peut les aider. voyez Moi, je pense qu'il faut vraiment recentrer les choses. L'initiative, elle est bonne, mais je pense qu'il faut l'évaluer, il faut voir qu'est-ce qui n'a pas marché et il faut recentrer. Hein. Il faut la reprendre pour voir comment elle peut être, euh, elle peut être plus utile. Parce que c'est un cadre, vraiment, si on l'utilisait correctement, pouvait nous sortir de tout ce problème-là. Et même au-delà de la production, aller même euh, développer l'économie nationale. Maman Nouri, quels sont vos conseils, recommandations pour euh, le contrôle et une meilleure stabilité des prix des produits au Niger euh, Merci beaucoup. D'abord, pour le ramadan, en tout cas, ce que nous recommandons aux consommateurs, c'est surtout la modération. C'est celui qui gêne la envie de consommer tout, tout ce qu'il voit. Ça, c'est la deuxième recommandation à l'intérêt des jeunes, c'est la substitution. S'il y a certains des produits de cru qui sont chers, il faut savoir les alternatives. Comme la patate douce, il peut remplacer un peu la pomme de terre et bien d'autres produits. Alors, c'est surtout la, substitution, faire des alternatives et la modération. Maintenant, en ce qui concerne la question de la qualité, c'est surtout d'abord aller vers les produits locaux. Là, on est sûr qui produit, avec quoi, où. Ça, c'est euh, un, premier paramètre. Le deuxième paramètre, c'est surtout l'encadrement dans la production au moment des besoins. C'est ce qu'on a compris, ce qu'on a constaté sur les terrains, pratiquement tout le monde produit en même temps pendant la période de contact. Or, les produits maraîchers, c'est aussi des opportunités d'affaires. C'est aussi des opportunités de commerce et de production. Moi, je crois qu'il faut encadrer nos producteurs à produire au moment de la, où la demande est forte. au moment où la demande est forte, c'est surtout au moment du mois de Ramadan et pendant la saison pluvieuse. Donc, en tout cas, c'est ce que nous recommandons. En ce qui concerne la qualité, ce que nous recommandons, c'est surtout le contrôle de qualité avant importation. La VCN a démarré, n'a même pas fait quatre mois. Les gens ont crié aux alarmes inutiles et que voilà le mécanisme obligatoire pratiquement dans la sous-région, la tendance, certains pays même nous ont dévancés alors qu'on était les premiers. C'est malheureux. Mais tout ce que nous souhaitons, surtout à direction de l'État et de certains donateurs, c'est d'être sûr que les produits qu'ils importent sont des produits de bonne qualité, attestés, bien entendu, par des organes certificateurs. Si chez nous, c'est la VPS. en tout cas, il y a eu des problèmes, mais regardons devant, regardons en tout cas à l'avant, pour que en tout cas, ne soient pas trop en retard par rapport aux autres pays. Maman Nouri, dans ce domaine, est-ce que l'Association pour la défense des droits des consommateurs euh, peut faire quelque chose Nous le faisons déjà. Nous le faisons. C'est surtout la promotion des produits locaux. Au moins, où tu m'appelles, on est en visite terrain. des gens qui font des produits locaux de bonne qualité, qui font la transformation. Et je crois qu'il faut aller vers ça. Non seulement vers ça, mais aussi inciter à produire beaucoup pour satisfaire la demande. Parce que l'idéal serait que nous consommons des produits chez nous pour que, au moment de l'ouverture des marchés, zone CDA, zone IOMOA et même zone Zelenka et ACE, que nous ne soyons pas des esclaves des autres produits. Nous ne soyons pas ceux qui abandonnent nos produits locaux. Pour d'autres produits dont nous, nous ne produisons pas. Donc, euh, c'est très capital. Il ne faut pas que nous soyons des importateurs nets à 100% des produits de consommation parce que les Nigériens, on a l'impression qu'ils aiment les produits d'ailleurs pas les produits de chez nous. Donc là, il faut que absolument la politique gouvernementale change. Il faut absolument que nos comportements soient pour la conservation de nos produits locaux, pour l'amélioration de la qualité et surtout pour la transformation afin, que le monde se modernise, de plus en plus prix euh, en tout cas, euh, à cause du stress du travail, les gens ne vont pas en chercher, ne vont que chercher les produits transformés. Donc, il faut qu'on s'adapte au changement du monde. Il faut qu'on s'adapte, qu'on s'adapte en tout cas aux nouveaux horizons commerciaux qui se dessinent et on risque d'être envoyés et on risque euh, même d'être, d'avoir de l'acculturation malheureusement si on ne fait pas attention. Oustaz Abdel Fattah Mahmoudou, au Maghreb, les commerçants profitent euh, du ramadan pour revoir à la baisse les prix des produits. Comment faire pour rectifier le tir Alhamdulillah Rabbil Alameen. Et si l'on fait référence à ce que Sayyidina Ali anhu, nous a dit au sujet de la crainte de Dieu, et on peut rectifier le tir. L'on a demandé à Sayyidina Ali anhu c'est quoi la crainte de Dieu. Il dit, il l'a expliqué en quatre il dit premièrement, il faut craindre le majestueux. Le majestueux Dieu. Secondo, il faut appliquer la révélation, appliquer le Coran, les hadiths. Et troisièmement, il dit il faut se préparer chaque jour pour quitter ce monde. Savoir que, bon, voilà, tu vas mourir. Et quatrièmement, il dit il faut se contenter du peu qu'Allah t'a donné. Tel que tout à l'heure, il faut qu'on soit humble ce que Allah nous a donné, qu'on essaie de garder, il ne faut pas aller au-dessus de ses moyens. Tout à l'heure, euh, le monsieur l'a dit dans son intervention que les consommateurs aussi doivent se limiter à leurs moyens. Parce que tu ne peux pas posséder 500 euh, francs et vouloir avoir un produit qui coûte 1000 ou 2000 francs. Ce n'est pas possible. Donc, euh, il faut être juste. À partir de moment-là, quels sont les défis du Niger en matière de contrôle et d'une meilleure stabilisation des prix des produits euh, Les défi en matière de contrôle au niveau des services techniques, euh, c'est pratiquement tout le temps que le contrôle s'opère sur les marchés. Euh, nos agents sont de temps en temps sur, les, sur le marché vérifiés, d'abord sur la qualité des prix et des, des produits, autant pour moi, la qualité des produits lorsque ces services-là, lorsque ces agents rencontrent des produits périmés ou avariés, ils saisissent et que euh, à la fin, c'est destiné à la à la, destruction, effectivement, pour euh, protéger le consommateur des, nuisances qui pourraient entraîner ces, ces produits. Encore, euh, vous parlez de la stabilisation. La stabilisation, comme l'a dit les acteurs de, de, défense des droits et des, consommateurs, oui, effectivement, tout à l'heure, je le suivais. D'abord, c'est consommateur d'être rationnel dans son choix. Avec ce que tu as comme moyen et ce qui s'offre à toi, tu opères un choix rationnel. D'accord C'est ça le comportement qu'on veut. Maintenant, de l'autre côté, l'administration, le souci, c'est quoi C'est de renseigner tout le temps, d'accord, de la disponibilité, c'est-à-dire ce que les agents font encore, la situation des stocks au niveau, d'accord, pour alerter lorsque eh, on constate quelque part un aménagement euh, de stock, d'accord, des produits euh, de grande consommation, on alerte pour que des dispositions soient prises de concert avec les autres, tous les autres acteurs, notamment les, importateurs, les commerçants et toutes les autres structures qui, se trouvent de la chaîne. Voilà, en tout cas, au niveau de l'administration, ce que nous faisons, c'est le travail de routine comme ça. À tout, à tout, le moment, euh, chaque quinzaine, d'accord, du mois, on, on établit et surtout le mil céréal, puisque c'est ça le, plus important. Pour, il y a d'autres produits de luxe, d'accord, qui ne sont pas d'accord. Mais les produits tels que le mil, le sorgho, le maïs, le sucre, la farine de blé, l'huile, ça c'est chaque quinzaine du mois, la situation est faite et transmise, n'est-ce pas, à la hiérarchie. Voilà ce que nous, faisons quand même au niveau de, de nos services pour euh, maintenir la stabilité des prix de grande consommation. Abarchi Soumana, euh, comment amener euh, les consommateurs euh, nigériens à avoir confiance aux produits sur le marché Bien, vous savez, l'État a, ses, a certains poids, d'accord, de ne pas vouloir faire la discrimination. Pour cela, les structures comme les associations de défense des droits, ils sont la voie autorisée, d'accord, à s'adresser en toute liberté, puisque nous, nous devons créer les conditions d'une parfaite concurrence entre qui vous soyez étranger ou d'accord, nous n'avons pas quand même cette Mais les structures là, qui sont là, qui œuvrent, je crois qu'ils sont en train de faire un travail formidable. D'accord Parce que là, en tant qu'autorité, il faut, faut savoir se réserver, d'accord, de, de, de, de certains propos. Les consommateurs nigériens n'ont plus qu'à s'armer de courage et de patience pour tenir jusqu'au bout, car les produits de première nécessité coûtent cher en cette période de forte chaleur et du mois de Ramadan. Beaucoup de personnes se posent la question si au Niger, les augmentations sur les prix des produits se font en fonction des saisons ou parce que nous sommes dans un mois de Ramadan. Une chose est sûre, la vie coûte de plus en plus cher au Niger. Nous sommes au terme de ce forum d'Issidio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Abarchi Soumana, chef division contrôle et contentieux au ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé. Au téléphone, LH Damradi Akuba, président du syndicat des importateurs-exportateurs du Niger. Oustaz Abdel Fattah Mahmoudou, prédicateur en islam. Au téléphone également, Nouri Mahaman, président de l'Association pour la défense des droits des consommateurs ADDC Wadata. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du Kalangou qui vous parvient grâce à nos 38 radios partenaires. Merci, au revoir.